Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler des jeunes dans la transformation agroalimentaire et voir les enjeux et les défis que ceux qui se sont lancés dedans rencontrent. On peut lire dans l'étude pour le cadrage du système agroalimentaire au Niger publié sur le site du RECA Niger que l'agenda 2030 pour le développement durable souligne la nécessité de mettre en place des systèmes alimentaires plus durables pour faire face à des défis tels que la malnutrition. Et donc par euh, système alimentaire plus durable, on parle sûrement de la transformation. Donc comment les jeunes s'intéressent à la transformation agroalimentaire Quels sont les enjeux et les difficultés qu'ils rencontrent c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui dans tout à la Fada. Échange, musique, chronique, rubrique, le tout en 35 minutes. Masauraran mu yau mun yada zango ne au Salon Sahel Niger 2022 a nan Palo du 29 Juin domin tattaunawa akan jigon namu ne wato les jeunes de la transformation agroalimentaire et parler des enjeux et des défis. Wato amfani kenan da matsalolin da mutane ke fuskanta waɗanda ke kasuwancin sarrafa abinci. Yau muna tare da manyan baki a fadar mu zan ba ku dama kowanne zai gabatar da kanshi ga masu mu. Ni suna na Goni Bukar ni ne nike eh, kaman abin da ake ma director marketing mai kula da saye da saidawa da dubaru wanda za a yi muhuddo kamfanin wanda ake ma mangari kiji a difa eh, wanda yake sarrafa kihi yana sarrafa tattase kuma yana sarrafa wake. To sanda zuwa a cikin shirin namu goni. Sai kuma ga latijan da ke kusa na. assalamu alaikum eh na zabur abdulkarim wanda adda ma'aikata ta yin sarwa shi can yaji sore patrol police amma shago muna da bukkoki daidai pass aom a kote da benefit afuwa to barka da zuwa a cikin shirin namu to kenan za mu fara ne da tambayoyin mu goni da kai zan harawa kai a ganin ka quels sont les secteurs de transformation agroalimentaire les plus promoteurs ici au Niger eh ni ina iya cewa yau eh, sashi wanda kamar ake iya cewa yana da bunƙasa ko yana iya sa Nijar ta ci gaba shine sarrafa abubuwa na gona tunda yawanci yau sarrafa abubuwa na gona da kiwo abu ne wanda kulli yawancin kun duba abubuwa ne wanda ana fita da su waje ba tare da an sarrafa ba kuma abu yau muna ɗaukar wake abu ne wanda ko ina ana yin shi a Nijar ko ina ana cin shi amma sai ya zamanto yau waken mu ne za a ɗauka a tai da shi Burkina Burkina a mishi leda ko a auna shi in kunta afirka ta kudu za ga shine ake cewa wake mahi inganci na afirka na burkina ne misali zan ɗauko muku yau in kunta ghana za ku iske shi shi ma ha sanducin na ake ma mutane na wake yau a nijar in kana gaya ma mutum abu ne wanda ba iya yarda kuma wake ana iya sarrafa shi abu da yawa misali guda in ka duba gani yau wake nan in mun sarrafa shi mun huta da shi za mu kirkira aiki za mu ci riba kuma ni ina iya ɗauka tun da ni daga difa nike yau in kun duba kun gani jihar difa tana da kashi casa'in na kihi na Nijar in ka gaya ma wani baya yarda tun da yau adifa kawai ne yau inda muna da kasuwar kihi musamman wanda 'yan Chadi suna kawowa 'yan Nijeriya suna kawowa 'yan Kamarun suna kawowa kuma ga ta Nijar wadda take nan to kihin nan yawancin kun duba kun gani ana huta da shi ba a huta da shi a ɗanye amma ana huta da shi a gashe amma kihi ne wanda yau a gashen da ake huta da shi ana huta da shi ne dole an sa mishi sinadarai da wasu abubuwa wanda zai sa za gani karshen shi ya huta kihi ne ake ce amma abin da zai iya jama jikin mutane Allah kawai abin ga da su kihin nan a kaɗan in shi jihar difa kawai yana sama jihar difa miliyar goma kowane shekara in kun duba kun gani miliyar goma abu ne wanda gaskiya an maida shi a kamfananci ko da kashi goma ne na wannan abubuwa ne wanda aka zama ya zamanto ma'aikata abu ne babba wanda za a iya cin riba shi eh yau kuma ina ya ɗauka muku tattasai in kun ɗauki tattasai abu ne wanda mutane yau suna sa shi cikin miya ne ya yi ja amma yana da sinadarai da yawa shi ma an sarrafa shi ana cin riba da yawa kuna ganin aljeri suna zuwa neman shi 'yan indiya suna zuwa neman shi bayan wannan in kun duba kun gani huta da nama mm, a takaice dai kai ka fara da kayan na zan iya cewa na fara da kayan gona kamar yadda ka eh, fara eh. to sai ga kula damki jan da nure jan Bienvenue. <laughs> Présentez-vous d'abord. Bonjour, je me présente euh, Mele Fanata. Je suis la présidente euh, de l'entreprise Faraha. Faraha c'est une entreprise euh, de transformation de céréales. Nous transformons beaucoup plus le riz où nous, sommes sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Bienvenue sur notre Fadafana. Latizo <laughs> Abdul Karim, da shi ya ce kayan gona ne yake ganin kamar sun fi zama promoter cikin transformation agroalimentaire ko ana ku ganin wanne ne fannin da ya yi karfi alhamdulillah nijar da yake shi dai dukkan ta sai ta kilishi duk jirgi ta san ta kilishi na nijar to matsar da muke ita ta bisa har kirshi sai a ce mana kirshi na tsada shi ku daga bisa ne alhalin mutane sun kulumancawa in ki doka kasan marokko in lokaci kina iske mutane ga su tara cawa ga tana an tara an azaita wuri wuri wuri an samu sinadari da lokaci yan ruwa sun kai sai aka sai da amma ne babu haka nan sai lokaci shi kai ya kamata a ce a samu abincin dabbobi babu sai yi tsada dole ka misa ta yi tsada kina ganin sa na kware miliyan daya ko kasa haka nan kin dole ka san kai miliyan daya dole kai tsada eh kilishi yana cikin abun daga kama jir kuɗi duk ini ini guda ban ce muke waye kamar wata guda ba akalla karanci kilishi ake ta Nijar shi na kai kusan na miliyan goma ga guda ba guda ba miliyan goma eh. hmm. a ah, lalle da yawa ne eh, sai tambaya ta ta gaba fanna depuis quand est-ce que vous êtes dans l'agroalimentaire je suis dans l'agroalimentaire euh, depuis 2017 mhm. j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la transformation alimentaire parce que j'ai vu que c'est un volet qui est très intéressant mhm c'est pour mettre de la valeur ajoutée à tous les produits que nous avons toutes ces variétés de produits que dispose le Niger. Oui, et là, vous, vous êtes dans la transformation du riz, vous dites Oui, je fais les céréales, mais beaucoup plus le riz. Oui, ah, les céréales et beaucoup plus le riz. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a motivé Pourquoi vous êtes intéressé aux céréales Les céréales, quand vous prenez par exemple le riz, le riz, quand vous le prenez par exemple, c'est le quotidien de tous les Nigériens. Quand vous faites euh, de porte en porte, les repas de midi, en général, vous prenez 10 maisons, vous allez trouver dans les 9 maisons le riz. N'est-ce pas Nous, nous produisons le riz, nous le transformons en couscous. Et vous savez que le couscous de riz au Niger, appelé communément dambou, c'est un plat qui est très prisé. C'est un plat qui est aimé par tout le monde. Tout le monde mange dambou. Dans chaque coin de rue, vous voyez une, dame avec euh, hein. sa table. Confession. <laughs> Elle vend, <laughs> elle vend son dambou. Moi, personnellement, je le mange très bien. Je peux le manger matin et soir. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que moi, je me suis intéressée à la à faire le riz. Et c'est pour aussi rendre hommage à mon père qui est producteur de riz. Mm. Il est producteur de riz, il est décédé en 2020 on est une famille de 10 personnes, 5 filles, 5 garçons, et c'est moi qui l'ai choisi pour continuer la production. Ah. Vous voyez, donc euh, ça me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Euh, c'est pour ça que je vais continuer à faire la production de riz, à transformer, à faire la promotion du riz. Ok, Fanna. Maintenant, je reviens avec vous, Goni. Est-ce que vous, vous, vous êtes plus axé sur le poisson, c'est ça le poisson et le haricot. Le poisson et le haricot. Le poisson, le haricot et le paprika. Et le paprika. Est-ce que la, disponibilité des produits de base, ça vous pose parfois problème euh, En tout cas, tous les produits que je viens de citer, ce sont des produits en tout cas, qui sont disponibles 12 mois sur 12, en tout cas dans la région de Difa. Mais peut-être que euh, dans certaines périodes, on en a euh, en quantité suffisante, mais pendant d'autres périodes, on n'en a pas en quantité suffisante. Mais le plus important de ce que nous nous faisons, c'est vraiment en tout cas, euh, nous essayons d'avoir un stock au moment où les produits sont disponibles pour pouvoir pallier au déficit au moment où en tout cas les produits sont en baisse. Voilà ce que je, je pourrais dire par rapport à cela. En tout cas, le poisson n'a jamais manqué à Difa, le haricot n'a jamais manqué à Difa et le poivron aussi n'a jamais manqué à Difa. Ok, mais alors qu'est-ce qui vous pose le plus problème Quel est le plus grand défi dans votre secteur En tout cas, le plus grand défi, ce qui nous cause problème dans la région de Difa, c'est d'abord les machineries pour pouvoir transformer, qui vont nous aider en tout cas dans la transformation, qui vont nous aider dans le séchage de nos produits et aussi dans le conditionnement. Heureusement, et avec 3N, nous avons une machine euh, d'une valeur d'à peu près 35 millions qui nous aide à faire en tout cas des, transformations, des conditionnements de produits granulés. Donc, sinon, euh, nous on pourra dire que voilà en tout cas les différents défis que nous avons. C'est vraiment euh, les machineries qui vont nous permettre en tout cas de transformer les matières premières d'avoir en tout cas de les sécher et aussi par rapport au conditionnement. Les conditionnements, c'est les emballages qui nous coûtent un peu plus ou moins très cher. Parce que vous savez que le Niger a, en train d'interdire le plastique, donc il faut automatiquement aller vers des, euh, des même produits biodégradables. Donc sinon, en tout cas, voilà nous ce qui nous pose, en tout cas énormément de difficultés. Et les machines, la maintenance et tout le reste, ça, ne vous cause pas de soucis les? La machine, la maintenance. On pourra aussi dire, parce que euh, pour un premier temps, il faut avoir les machines pour voir maintenant si après eh, on pourra déjà les réparer. Sinon, par rapport à la maintenance, nous avons quelqu'un qui est un spécialiste dans les machineries, dans eh, l'électro-industriel, donc qui en tout cas à DIFA, qui a aussi des grandes machines, c'est-à-dire pour faire les pièces. Donc euh, eh, c'est Alaj Ibrahim Bagui pour faire les pièces. Donc euh, nous on pense que c'est, on a déjà, en tout cas, on peut dire déjà que c'est quelqu'un qui est là qui peut déjà apporter euh, sa contribution, parce qu'il est aussi dans la transformation. Et à toutes les réunions qu'on arrive à tenir avec eux, avec les transformateurs, en tout cas, ils nous disent que lui, il est disponible pour nous aider à faire les pièces, même à faire certaines machines, en tout cas, si on peut lui donner, en tout cas, les caractéristiques dont, dont on voudra. Donc vraiment, en tout cas, on ne dira pas que ça nous pose des problèmes. Et même si ça nous causait des problèmes, on est un peu à côté du Nigeria, donc... Euh, on pourrait facilement voir maintenant comment on pourrait avoir des, des personnes pour nous faire les maintenances. Merci. Et Fanna, vous, quel est le plus grand défi que vous rencontrez Par exemple, le tige ya ce da kuma bisa tsada Qu'est-ce qui vous cause problème vous euh, le problème qu'on a en fait, euh, c'est le problème d'emballage. Et là, euh, moi, je dirais que c'est un ouf pour moi. Dernièrement, j'ai reçu également comme lui euh, un appui du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Ils nous ont octroyé une machine, une conditionneuse multifonction qui fait le pesage et l'ensachage de tout granulé. Et également, ils sont en train de construire une usine de fabrication de films. Donc cela nous permettra alors d'acheter des films biodégradables et à moindre coût. Tout le café avec sa rubrique l'artiste s'exprime. Kamikaze, Liman, Dondi la machine. Te souhaite la bienvenue. à toi te souhaite la bienvenue. Bien sûr, donc bienvenue Dondi. ça va, tout se passe bien Ouais, ça va. Commençons par le commencement. D'accord. Kamikaze Liman à l'état civil. Abdul Kader Halilou. Abdul Kader Halilou. Ouais, Halilou. <laughs> yes, Yes, Abdul Kader Halilou. Voilà, si tu veux. Abdul Kader Halilou. Voilà. <laughs> Kamikaze Liman. Yo. Tout est parti de ce pseudo Kamikaze Liman. Yeah. Kamikaze. Pourquoi Kamikaze et les, les kamikazes, en fait, c'est ceux qui se sacrifiaient, qui donnent leur vie. Bien sûr. Mais pour la patrie, quoi. Ouais. Donc là, c'est pas, euh, tu vois, c'est la philosophie qu'on prend. Donc euh, qui, est, qui, est, prêt à défendre, du mieux qu'il peut, du mieux qu'il peut. Au moins avec son. C'est ça le concept. voilà. <laughs> Et en un mot, les dizaines de gentlemen, <laughs> Kazlima est aux côtés de la masse populaire. C'est ça. Comme Lima on t'appelle aussi lintello explique Expliquons yeah. un peu le concept. Mais parce que voilà, c'est ça quoi. Donc les autres kamikazes, en fait, si tu veux, euh, là quand on le voit, les terroristes, voilà, ils se tuent avec des bombes et tout et tout. Mhm. Intellectuel parce que c'est avec des mots qu'on terrorise. Ah tu vois pas avec voilà, on n'est pas agressif. Nous, c'est à base de mots en fait. C'est des flots. C'est des flots. Est-ce qu'on peut avoir un peu de euh, quand est-ce que euh, le hip-hop euh, a commencé chez l'artiste en question J'ai découvert le hip-hop en fait à travers la danse déjà. En 90, je voyais les grands danser tout ça à la télé, tout ça et c'est vrai, on était vraiment môme, mais oui, ça me blanchait quoi, tu vois. Et en 95, toujours môme, c'est vrai, mais on avait les grands frères déjà qui rappaient. Moi, c'était les sons de MC Solar en fait. C'était vraiment le premier rap, si tu veux, en tout cas français. Et avec lequel j'étais en contact, j'étais en contact. Et après, j'ai découvert euh, les IAM, les NTM et pas mal d'autres euh, par la suite. Quoi. Ok, d'accord. Super. Parlons un peu, euh, n'est-ce pas, aussi de cette formation Diorogiri Parce que nous, on a connu Kamikaze au sein de Diorogiri Au sein de Parlons de Mokas, parlons de Disserti, parlons de Kamikaze, parlons de Diorogiri c'est un groupe qu'on a créé en 98. Donc, on a sorti notre premier album en 2001. En 98, oui. Ok. 2001, le premier album. 2001, le premier album Prélude. Donc c'était Mokai, Moutari, c'était euh, Idi Sarki, sont vraiment en fait Idi c'est Ibrahim. <laughs> voilà. Alors Kamikaze, on va parler un peu et eh, bien sûr euh, de ta carrière solo, Wiza Jaro Fata oh. Parlons un peu de ce concept tu as quitté le groupe. Divergence idéologique. Ou qu'est-ce qui s'est véritablement passé euh, Ben, en fait, on est toujours frères. Hein, donc, c'est que moi, euh, j'ai toujours compris que de toute façon, les groupes de rap, à un certain moment là, les gens allaient partir en solo, même s'ils même s'ils euh, se reforment souvent. Après, tu vois, derrière. Et voilà, donc j'aspirais vraiment à, sortir quelque chose, à, tenter quelque chose en solo. Dans ma cité. Parlons un peu de, cette étape de ta vie qui t'a certainement marqué. Parlons un peu de ce concert. Parlons un peu de ben, ce. C'est ça, en fait première sortie Ben ouais, la première, c'était, ben, c'est comme tu l'as dit, tu vois, il y avait euh, dans ma cité, donc euh, il y a eu tout une com autour de ça, et euh, ben, un premier concert et, et premier guichet fermé, tu vois. Sincèrement, je, faisais partie des premiers surpris, quoi, parce que je, ne m'y attendais pas du tout à cela, quoi. Moi, je me disais que 300, alhamdulillah, ça le ferait, quoi. La <laughs> Daros Connection, dans ton temps, on a trop entendu parler de Daros Connection, Connection, tout est parti aussi euh, d'une manière ou de, autre, de, ça. Parlons de Daros Connection à Salam Team. Ben, en fait, Salam Team, Salam il y a toujours Darwest Connection. Ça ah, veut dire que euh, la Darwest Connection, elle, est toujours là. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas parler de Kamikaze et parler que de la Darwest Connection. Mhm. Mais Kamikaze, c'est toujours la Dark West Connection. Il y a la Dream Zone, c'est vrai, il y a la Ford Dimension, tu vois, il y, a, y, a tout quoi, tu vois un peu. Mais la Dark West Connection a, toujours été là pour Casse, quoi. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas nier, quoi. Et la Salam Team, c'est quoi La Salam Team, en fait, ça, c'est, euh, tu vois, j'ai un label de musique, Salam Records. Ah, d'accord. Donc, euh, la Salam Team, si tu veux, euh, est un produit, donc, du label. Ah, d'accord. Voilà, donc on a mis en place, en fait, une Team Salam pour le label, en fait. Yes, <laughs> Mesdames et messieurs, si nous récapitulons, hein, Kamikaze Liman a commencé le rap à bas âge. Commençons d'abord par les années 90, euh, par la danse. Yes, On l'a connu dans... Non, non, j'ai pas dansé en 90. Ah j'ai connu. Ah, voilà, j'ai connu, oui. <laughs> voilà. Peut-être que, peut que j'ai commencé à danser, je sais pas, dans les années 96, 16, 17. C'est moi pas de danse. Ah, <laughs> Tant que ça. Tant que ça. Donc, on espère que nous avons cerné l'artiste en, en 5 minutes. On sait que tu as quand même, à un moment donné aussi de l'histoire, mhm. disparu un tout petit peu et tu es revenu pour dire Yanzumo Kawara. Ah, Qu'est-ce qui expliquait un tout petit peu, euh, n'est-ce pas, euh, ce retrait. Ce retrait ben, euh, ben déjà un, tu vois, euh, en 80, quoi, non, en 2012 plutôt, mhm. euh, j'avais initié un mouvement, un mouvement de jeunes, donc pour le volontariat et le développement, appelé Bloc Central. Donc, ouais, bien sûr. Oui. Donc, ils sont où les gars Ils sont là. Ils sont là et on a mené pas mal d'actions en fait sociales, tu vois, avec les guerriers là et les guerrières parce que c'est tous les deux. Bien sûr. Donc on cotisait et puis bon, bon voilà, on, aidait en fait. si tu veux, on apportait notre aide dans des dans des écoles primaires, même, dans des collèges, quoi. Ah. Tu vois Donc, euh, c'est ce que j'avais compris, c'est qu'on ne peut pas tout attendre, en fait, de la part de l'État. Nous-mêmes, on peut faire quelque chose. Bien sûr. C'est-à-dire que si on, concède tout à l'État, mhm. après, c'est normal qu'on se retrouve, en fait, dans les problèmes dans lesquels, en fait, nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Donc, à un certain moment, il est important que les citoyens, tu prennent conscience qu'eux-mêmes peuvent apporter leur pierre à l'édifice, à la construction, en fait, de ce pays, quoi. n'est mhm. C'est pas que le rôle de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Dans ta carrière mhm. musicale, cela ne te cause pas de problème parce qu'on sait aujourd'hui que les artistes engagés, mhm. d'une manière ou d'une autre, rencontrent un certain nombre de problèmes. Ah, Alors ici, c'est l'artiste qui s'exprime. On Est-ce que ton engagement aujourd'hui, le fait de dire oui, j'ai comme l'impression qu'il y a. C'est-à-dire que d'autres artistes, hein, c'est une impression, je sais pas. Mhm. J'ai comme l'impression que d'autres artistes, en fait, euh, sont beaucoup plus soutenus parce que, bon, ben, ils amusent la galerie, quoi. ne je dis pas que je suis pas dans ce. Il m'arrive d'être dans ce, dans, ce contexte, Mais le côté engagé, peut-être fait que, bon, voilà, t'es pas partout euh, persona grata. En fait, t'es plus persona non grata, quoi. Tu comprends, voilà. <laughs> en tout cas, surtout quand il s'agit de. Ça voilà. C'est cela. <laughs> ok, bari mu komo a cikin shirin namu inda muke tattaunawa akan transformation agroalimentaire enjeu et défis ici au Niger muna tare da manyan bakinmu Abdelkarim Abdulkarim Zabairu mai sarrafa kilishi avec Mele Fannata qui est transformatrice de riz et de céréales et avec Goni Boukar qui lui est plus euh, axé sur le poisson et le haricot et le paprika. <laughs> Abdulkarim, yanzu ku kamar entreprise ɗinku a combien c'est votre production journalière mensuelle ko kuma annuelle alhamdulillah dai a takaice duk ini muna fara kilo 100 kilo 100 na kilishi duk ini ni kaɗai yawa a cikin kamar a cikin gari yawai kenan muna da ma'aikata kan mutum goma sha shida shi sara kilishi yanzu duniya duka da na haɗa tazi ne hatta da mun fara samun kilin masu don saida nan ma ciki ya mai ina da wuri goma da da kilishi sare kenan kilishin nan mutane sun fara ganin umarnin shi sun fara ganin jin daɗin shi sun fara ganin jin darajar shi kenan ba ku samun matsala kamar wajen sai saidawa ko wajen bayarwa ku da in kuka akwai wanda ke zawa su sai kun ba su kuka da kamar bai ishe su ba ko wani abu haka nan. Eh to ai na kusan ta miki miki tsaren naman tsar bisa shi ba a numan cawa shi sa nama ke tsada da kidan sai su haka ma da aiki shi ba aiki bai san mu ma to kuma mun taba yin a shi ma bai sayi ba ma shi wannan saboda dalilin tsadar amma abin na sauki ko za ku haɗe sai me ɗi sai ya samu hamsin sai amma wani kirci in kana son ka kirci na ƙwai sai na cika ya da dalilai sannan akwai zancen fanda da ta ce zancen ambalaji ambalaji cikin nije ba inda zaka zo a yi mabuga maci rabuwa na maka su ta yi gana waga kwatanu eh, da sauro ƙasashen da aka yi har faransa aika ma neman ambalaji ya ga da ne yake abin zai taya da kyau da aka san shi kuma ambalaji shi ne ga kiran sana'a ambalaji shi ne ga ɗaukar kayan sana'a abin samu kaso a samu shiga su eh sai gare ka goni goni bu a combien le votre production journalière buhu biyar a wuni don ka za mu samu muna iya cewa kamar kilo goma sha bakwai ne kowane buhu wanda mun sarrafa yake bada wake muna yin buhu biyu kihi kuma shi eh, muna iya cewa kamar muna yin muna iya gasa kamar kilo ɗari zuwa sama kowane wuni tunda muna da wajen inda muke gasa wannan kihin nan mm. da muke sarrafa shi eh kun ba ku samun matsala da la liquidation eh wajen liquidation ba mu samun matsala da harko dai ne da muka fara wanda mutane ba san shi ba mun fara mun yi dan asararka nan da abun ka fara na harko yau kun duba kun gani bare da muka zo ba bare wancan da muka zo ba kamfani muke ba amma bana mun zo a kamfananci kun bana kun gani mun samu client dia wanda yau mun kai matsayin da ana neman abin ga mu har ya kai ma yau muna iya cewa muka hin donc vous êtes passé à la formalisation exactement mun zo mun shiga waje wanda mun koma kamfani wanda har mun shiga ma processes wanda ake cewa certification certification shine zai sa fururin yana da inganci wanda zai huta hoshe don da yawan kun duba difa muna cikin kamfani na horko wanda suka shiga wannan form abin certification din nan kun bayan wannan abubuwan mu sun ji cin inganci tun kafin mu shiga certification ma mun ci tukunci kala kala a anyi manyan taruka ga talabere candalo mun muka ci premier pre transformation eh, bara ma da bara wancan ma da muka zo mun ci firi da sauransu nan sahel da sauransu eh ga dai abin da za mu iya ci ga abin ga to madalla <laughs> Allah ya rika eh to ba matsala a ah, ku kara okay kin rika so yi ga yan Nijar da Allah a san a rika noma noman nan shine a ci gaban kasa in ba a noma ba ci gaban kasa masu kudi ba su noma yanzu shi yasa duk ga matsala miki cikin ta yanzu in ki diki rogo jihar nan ga mai kai a ce misali dai jihar takwas gaba ɗaya na Nijar irin motocin da aka kawo daga benin daga eh, ghana daga nigeria na rogo mu ba mu ɗauka kai can kina ya kamata gona rogo da an sa shekara guda shi an huta kuma in an kai za a ci in riba za a ci in shi ya kamata a diba a gani mahukunta su diba taimakawa yadda za a yi a neman rogo kamar yadda an ka tsara mu gashe bisashe masu harka bisashe masu harka abincin na wanda aka yi dabbobi to haka harka rogo na kamata ai kokari a samu mutane cikinta don a samu wadata kasar déjà. alhamdulillah sai an jima to mun gode sanin ku da yanzu bari in toi je te parle demandé a combien s'élève toi ta, comment dire à combien s'élève ta, ta production journalière et si toi tu rencontres des problèmes dans la liquidation de tes produits euh, non, je ne trouve pas de problème dans la, dans la liquidation de mes produits. On produit environ, euh, disons, 100, 100 euh, kilos par jour parce que c'est notre salle de séchage qui n'est pas assez grande pour faire plus. Et comme c'est un produit qu'il faut euh, sécher, soit euh, dans un séchoir ou bien dans une salle de séchage sous les ventilations là, ça fait 72 heures si c'est la ventilation et si c'est les séchoirs, ça ne dépasse pas maximum 36 euh, heures. Hein. Voilà, donc on n'a pas de problème du tout de, vente. et quels sont vos plus grands clients nos plus grands clients, c'est beaucoup plus euh, les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires qui achètent beaucoup plus nos produits. D'accord, merci Fanda. Alors Goni, vous, quels sont vos plus grands clients Ma sayan kayan mu gaskiya mutane ne wanda za mu iya cewa kaman eh, mata wanda yawanci ba a jifa suke ba. Hmm. Yan yamai amma mun samu wanda suke sayan abubuwan mu da tunda jifa abin da ya sa bamu da muna iya cewa kaman abu ne wanda akwai shi ma dama nan amma yawanci mata sun sayan abubuwan mm. eh. Me ba ku da manyan kastomomi kamar da kliyanki eh, au suke komande e eh, yanzu ba mu hara kai wannan entreprise water eh ba mu hara kai wannan matsayin nan ba mm. amma cikin tahiyar da muke akwai yan proje da system de nations unis menene za a ce musu sun hara shawarta mu sun fara zuwa wajen mu su gani wannan abubuwan nan ya za su saye shi a raba ma yara tun da yau kun duba kun gani abu ne wanda yawanci yana shiga ne cikin ƙarin abincin da muke samu tun da yau kun duba kun gani muna ci abinci da yawa amma yau kun duba Niger muna da karancin sinadarai wanda zai su ƙara ma wannan abubuwan ya zama yana da vitamin ko yana da inganci sosai yana mun fara samu wannan kuma mun fara samu mutane wanda suna su abubuwan mu har daga Burkina wanda suna so su ma su gani ya za su yi sai da cikin shagunan su

Father in heaven, back time to take over. You don't take I trouble you. Back down on Lucifer. I not to follow pastor, they be for mom. Father na father. See me, I don't busy my call. quel est votre plus grand souhait pour votre secteur euh, Moi, mon plus grand souhait pour mon secteur, c'est vraiment, en tout cas dans la région de Difa, qu'on crée déjà euh, une zone industrielle pour permettre en tout cas aux producteurs, de aux transformateurs de se retrouver. Et maintenant aussi que l'État vienne en appui, en tout cas aux petites et moyennes entreprises, pour les amener à un certain niveau. C'est-à-dire même si l'État va les accompagner, à les aider à vendre leurs produits et jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau, avant de les laisser partir eux-mêmes, je pense que ceux qui ont des initiatives nécessitent d'être accompagnés. Et maintenant aussi, nous avons l'espace, nous avons le soleil, à Difa, nous avons l'eau. C'est vraiment que l'État et les partenaires puissent voir comment on puisse aller vers une agriculture intelligente à moindre coût pour qu'on puisse avoir des matières premières vraiment accessibles pour que en tout cas les produits à la fin de la transformation ou en tout cas à la fin de la, de la chaîne de valeur qu'elles soient accessibles aux consommateurs moins, Parce que vous savez que on ne dit pas que nous sommes dans un pays pauvre, mais en réalité, nous avons des, consommateurs en tout cas qui n'ont pas un niveau de revenu très haut. Voilà moi en tout cas ce que je dirais. Et vraiment de voir quelles sont les structures d'accompagnement pour la certification euh, qui, pourront en tout cas nous accompagner. Parce que DIFA, nous sommes à, 1000, euh, à plus de 1500 km. Donc vous voyez, même pour cette foire-là où on est venu aujourd'hui, vous allez voir que les gens de Niamey sont loin devant nous parce que nous n'avons pas euh, les matériaux pour faire les emballages. Nous n'avons pas, en tout cas, les, euh, mêmes moyens. les mêmes moyens. quel est ton plus grand souhait pour ton secteur Moi, c'est un appel que j'ai à faire à l'endroit de, l'État. C'est vrai que L'initiative 3L, les Nigériens les Nigériens, c'est une réalité aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi encore que l'État aide davantage dans la transformation agroalimentaire pour qu'on quitte le stade artisanal et aller vers l'industrialisation. Et le deuxième appel aussi, c'est à l'endroit de la population, nous nous exhortons à consommer le local. Parce que c'est des produits qui sont euh, transformés par les Nigériens, qui sont d'abord cultivés par des Nigériens, qui sont valorisés par les Nigériens. Donc les premières personnes qui devaient consommer ces produits-là, c'est nous-mêmes. Merci beaucoup, Fana. Donc avant de conclure, notre émission, nous allons laisser la place à Olivier pour sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Chers amis de la FADA du studio Kalangou, ce soir, nous allons revenir sur le 8 mars. C'est le mois de la femme. Le 8 mars déjà, la communauté internationale et le Niger ont célébré la journée internationale des droits de la femme. Pour cette année, le thème est axé sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ce thème à connotation écologique nous rappelle le rôle important que peut jouer la femme dans la lutte contre les changements climatiques. La célébration du 8 mars de cette année a été relayée largement sur les réseaux sociaux. Une des particularités de cette année est que plusieurs internautes ont rappelé le caractère revendicatif de la date du 8 mars en rappelant aux uns et aux autres que le 8 mars est une date réservée à la célébration des droits des femmes. Revenons au thème. Le thème de cette année place la femme au cœur de l'adaptation au changement climatique, l'avenir de l'humanité, le développement durable. Elle est appelée à s'engager pour la cause verte, celle d'un avenir durable. Si au Niger, plusieurs femmes sont engagées dans des domaines comme le recyclage, le maraîchage ou encore les exploitations agricoles, il faut également rappeler que ces femmes sont confrontées à des problèmes de disponibilité de ressources financières et bien d'autres. Au-delà d'une revendication traditionnelle des droits de la femme, comme le droit à une protection contre les violences basées sur le genre, ou encore le droit à une menstruation saine, on constate qu'avec les années qui passent, les priorités évoluent. Sont-elles prêtes à assumer ces responsabilités précitées La réponse, elle est avec vous. Je vous laisse méditer. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. nan muka kawo ƙarshen shirin mu na mu haɗu a fada mun gode muku da sauraron shi da kuka kamar da kuka sani mun tattauna ne akan jigon sarrafa abinci wanda matasa ke yi kuma da zango ne a filin salon sahel niger 2022 mun tattauna ne a cikin wannan shirin namu tare da zabairu abdulkarim tare da goni bukar da fannata mele sannunku mun gode muku da halartar shirin namu da kuka kuma mun gode muku da sauraron mu da kuke ci gaba da yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu a huta lafiya